appréciation ci Lion match tay bi. tay 3-0 la. 3-0. Côte d'Ivoire Sénégal bi euh, lan ngeen ci yaakaar exactement en tant que supporter. bon avant tout remercier le peuple ci mobilisation bi di ñaan yalla mu may ñu victoire bon que le meilleur gagne dal xam naa du yomb mais yalla baxna quoi. Ah, yow match bi ñaata nga gis. bon yalla baxna on laisse comme ça. j'ai eu espoir que le Sénégal peut gagner ce match. ok mais combien combien. non 3 buts à 1. 3 buts à 1. tey nga ñëw supporter si Lions yi euh, nekk douzième gaynde comme ni ñu ko waxee euh, naka nga gisee équipe euh, Sénégal contre Côte d'Ivoire. équipe Sénégal contre Côte d'Ivoire gisuma te dara lu dul ñun dañu war di booloo à chaque fois mais bu ñu toogee ba dara bett ñu ñu ñuy door a booloo du am sens parce que damay dégg ñu naan Sénégal benn bopp la mënul nekk ku ci nekk boo ko xoolee ci sa situation famille bi ngay dund rek nga xam ne Sénégal du benn bopp mais yow tey match bi Sénégal Côte d'Ivoire lan nga yaakaar nga est-ce que yaakaar nga ne yow Sénégal dina ci génn. waa man li ma sama maam daan digal ma xam ko ci wàllu aada ak cosaan gëm naa ne bu ci dala rëcculee Sénégal dina ci génn incha allah. ñaata ñaata nga gis ci match bi. waa mais ci biir gis-gis bi nag am na luñ ma tere moo tax bëgguma faa yegg. tey dañuy gis euh, match Sénégal contre Côte d'Ivoire bi euh, ñu dem 2-0 euh, match bi dégénéré ñu que bi nañ ko en tant que supporter yow loolu naka nga ko gisee. xam nga man damay ko dama gëm parce que chaque jour damay discipline. parce que ambassadeur chaque jour damay défendre sama couleur réew actuellement ngi drapeau bu mètres sur 20 actuellement moom xam moy drapeau bu mag la grand géant drapeau bu gëna reuy sama drapeau lak nan ko daggate ko ay morsa sa loolu ni sooyatuma ko un sénégalais waro jël sa drapeau rew du ko taal bokku ci discipline bokku ci discipline. parce que nit ki da nga war a discipline lu metti metti tamit da ngay jéem a xam gëm yàlla xam ni li la yàlla dogal nga régler ko neneen yàq fe ba mu des stade ool mën nga stade def déconné fenn déconné def lu ne nga bañ ko def ci stade bàyyi match bi jeex ñu continuer match ba mu jeex bo génn ci biti def li ngay def parce que lii dafay yàqal Sénégal parce que du signe boo xam ne Sénégal dafay boo xam ne pays de triangle la du signe bu baax si Sénégal c'est pas bon. Vraiment c'est c'est désolant c'était pas souhaitable et on aurait pu l'éviter. Et parce que le, après tout, ça reste euh, le sport. et faut pas que l'enjeu euh, tue euh, le jeu, la fraternité entre les deux pays depuis longtemps. Tu vois, puisqu'il y a des communautés ivoiriennes au Sénégal depuis des années qui ont eu des enfants, qui ont des frères également sénégalais. C'est pareil également pour les Sénégalais en, Côte d'Ivoire. Donc les deux pays vraiment se fréquentent depuis des lustres. Donc vraiment c'est dommage, c'est déplorable. Oui, c'est anti-football, c'est anti-sport c'est anti-fair play. man ni ma ko dundee c'est vraiment honte parce que équipe bu day ni Sénégal ñuy football ak suñuy doomu ndey euh, Côte d'Ivoire du macitation ba nga xam ne war na mën a demee nii daal parce que boo xoolee suñu contre Gambie nii la demee woon équipe bi nii lay demee chaque année c'est c'est la honte pour le Sénégal ça bon équipe dinañ ko defar waaye du nii la ñuy defaree équipe. équipe nii lañ koy defaree da ngay defar nii waaye mënoo chaque 6 mois nga changer entraîneur bëgg yor équipe bu baax depuis 2002 ba léegi Sénégal amul équipe bu mën a gagner lui doit régler problème Sénégal violence mini, ça sert rien c'est la honte pour le Sénégal. Lorsqu'on venait, ils ont, ont fouillé, hein, ils ont dit qu'on ne doit pas avoir des, objets bizarres. Or, pour, la, les, les, Sénégalais eux-mêmes, ils n'ont même, pas, même rien fait. Tu vois, donc il y, a eu des blessés parmi nous. Donc, euh, bon, le match s'est mal passé, mais on a gagné. Donc, je suis content. Bon, c'était un match entre pays frères. On s'attendait à un jeu entre gentlemen, mais ça s'est mal terminé. Et c'est malheureux, c'est malheureux pour le football africain, c'est malheureux pour le sport. mais il euh, y a les dirigeants, il y a les responsables qui vont prendre leurs responsabilités. Nous constatons que nos frères sénégalais n'ont pas encore compris le football. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et, le Sénégal, c'est le même pays. Donc si on mène 2-0, c'est le même pays, c'est le même pays. On les a accueillis avec cœur ouvert. Ils ont mené, ils nous frappent, ils nous blessent. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce que j'ai 2015 là, mais ils vont même pas jouer. Ils vont attendre 2000, 2017, ils vont jouer. Je suis résident à Dakar, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on vient supporter notre équipe. Regardez dans la situation qu'on nous met. Avec ça, on nous parle de fair il y a pitié pour les parents à Abidjan, mais comme les Ivoiriens sont faibles, on ne va rien faire. Mais ce n'est pas sportif. C'est pas sportif. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ils sont allés jouer à Abidjan, on n'a rien fait. Non, on nous a gagné à Abidjan sur notre terrain, on n'a jamais brûlé le terrain, on n'a jamais frappé les supporters. Mais pourquoi eux veulent le faire S'ils veulent s'en prendre à quelqu'un, donc qu'à s'en prendre euh, à, leurs joueurs, mais à leur, à leur staff, mais pas aux supporters. En tout cas, c'est une belle affiche. Raison pour laquelle nous sommes tous déplacés pour venir euh, supporter chacun son équipe. Mais là, avec la situation que nous vivons actuellement, c'est quand même déplorable. Je pense que pour un match de football, on ne devrait pas en arriver là. Mais ben, bon, chacun, nous sommes tous des humains. Et nous devons être responsables euh, des actes que nous avons posés. En tout cas, je n'apprécie pas le comportement des Sénégalais. Euh, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont deux, pays frères, amis. Euh, je ne sais pas pourquoi, quand il a des football, on doit s'en prendre à, des supporters. Vous voyez la situation dans laquelle nous sommes. Il y a des amis qui sont blessés, il y a des filles parmi nous. Et bon, en tout cas, nous remercions Dieu qu'il n'y ait pas eu de mort. Guárdame.